Thank you. 2024. Auditeurs et auditrices du studio Kalangou, bonjour et bienvenue dans notre émission Le Niger sur Kalangou. Moi, c'est Fanta Chamsou et ce matin, je suis en compagnie de Ali Mounke Ouseni alias Seno 50%. Bonjour Seno. C'est comment Fanta, ça va Je vais bien. Super. Alors, on n'oublie pas aussi de faire un coucou à la merveilleuse équipe qui nous accompagne ce matin. Il s'agit de Adam Adawaki à l'édition et à la technique. Nous avons Kader Chambiano. Alors Fanta, quel est le programme du jour Eh bien, comme d'habitude, nous allons débuter avec le flash d'information. Il y aura ensuite la rubrique hebdomadaire sur l'environnement, la page sport et le portrait du jour et aussi le loti. Et notre invité ce matin Emma Manjibo euh, Nana Mariama, la présidente de la commission sociale du conseil euh, communal de Saï. Alors avec elle, nous parlerons de paix et développement. Top, c'est parti. Chers auditeurs, nous allons débuter comme d'habitude avec le flash d'informations présenté ce matin par Rukaitou Abdurrahman. Bonjour Kaya. Bonjour Fanta, bonjour Seno, bonjour l'invité. Et aujourd'hui, c'est la journée internationale de la langue maternelle avec pour thème l'éducation multilingue est un pilier de l'apprentissage intergénérationnel. L'enseignement dans la langue maternelle soutient l'apprentissage, l'alphabétisation et l'acquisition d'autres langues selon l'UNESCO. C'est pourquoi l'année dernière, le Niger a annoncé qu'il envisage une transformation du système éducatif à travers les langues nationales. Au Niger, rappelons-le, la loi fondamentale consacre la langue, les langues maternelles comme langue nationale. Ensuite, lundi, la monnaie nigérienne, le Naira, e a chuté sur les marchés officiels et les actions ont enregistré leur plus forte baisse en une journée depuis plus d'un an. Une nouvelle dévaluation à la faveur à la valeur divisée par 2270 2270 fois depuis sa création il y a 51 ans. Ainsi, la monnaie a perdu 99,96% de sa valeur selon Financial Afrique, un journal panafricain en ligne. À la date d'hier, 1000 francs CFA équivaut à 2300 naira. Cette situation a plongé les habitants de Difa qui utilisent cette monnaie dans une crise sans précédent. Sur un tout autre plan, trois réseaux de trafiquants de drogue et deux réseaux de voleurs ont été démantelés par la police départementale de Dogandouchi. Pour la drogue, ils ont été pris dans les villages de Malankwara, Gohawa et Munseka. Une valeur, marchande, de la drogue s'élève à environ 8 millions de francs CFA. S'agissant des voleurs, ils sont spécialisés en vol de nuit, en réunion par effraction, par escalade et en voyageant de ville en ville pour voler, selon les précisions de la police. Et c'est tout pour ce flash d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci Rukaya. Chers auditeurs, comme annoncé ce matin, nous sommes en compagnie de Maman Jibo Nana Mariama. Elle est la présidente euh, de la commission sociale du conseil euh, communal des jeunes de Saï. Bonjour Mariam. Bonjour Saino. Vous êtes la présidente. Est-ce que vous êtes seule dans le bureau Non, je que fille, euh, je veux dire. Non, je ne suis pas la seule fille. Je dirais que nous sommes euh, jusqu'à cinq, je crois bien. <laughs> Ok, d'accord. Parce que notre vice-présidente, euh, c'est une fille. Il y a celle qui est chargée du jar, Elle est aussi une fille. Il y a une rapporteuse. Il y a une trésorière générale et moi-même. Il n'y a pas de souci, on va ah, revenir en détail. Oh, Bonjour Mariam. <laughs> Bonjour Fanta. Donc avec vous aujourd'hui, nous allons parler du rôle de cette commission dans la promotion de la paix et du développement de jeunes et oui, mais avant de lui donner la parole, écoutons d'abord la première musique de notre sélection d'aujourd'hui. Je vous propose Kokena du fait Mousse Poussi. because they to. ando, longa corda Kokaina du fait Moussa Poussi aborde avec une profonde sensibilité le sujet délicat des enfants nés hors mariage. Il met en lumière les défis et aussi les préjugés auxquels ils sont confrontés dans leur quête d'acceptation au sein même de leur famille. oui, Fanta, euh, dans ce, dans ce titre, Moussa Poussi a démontré encore une fois de plus son talent pour aborder euh, des sujets sociaux complexes avec grâce et profondeur, euh, faisant de Kokaina une chanson aussi belle que significative. Thank you. yi e ko go jango e ko na be ka ye do awale wa ko ka do na e ko na ko awale do awale wa ko ka do na C'était le titre Cocaïna du feu Moussa Poussi. Et nous allons entamer la première partie de notre entretien avec notre invité d'aujourd'hui, Maman Jibou Nana Mariama, la, présidente pardon, de la commission sociale du Conseil communal des jeunes SAI. Rebonjour Nana Mariama. Bonjour. Alors, dites-nous au-delà même de la situation sécuritaire qui prévaut dans la commune de Saï et la région de Tilabéry en général, quel est l'état d'esprit de la population Bon, les... permettez-moi de vous rappeler que depuis un certain temps, la situation insécuritaire de la région de Tilaberi est très critique. Mhm. Et c'est là aussi, il y a des départements qui sont touchés par cette euh, insécurité, quand nous prenons par exemple la commune de Saï. Mhm. C'est vraiment, les populations sont vraiment traumatisées par euh, cette situation insécuritaire parce que, au-delà de l'insécurité que les populations vivent euh, chaque jour, il y a aussi et cette euh, situation sécuritaire en fait en sorte que certaines activités que les populations exercent ne sont plus en pratique en fait. Mhm. Mhm. Comme par exemple quand vous preniez le problème des, des, motos, à ça quand nous prenons maintenant <coughs> les motos ne circulaient plus. Mhm. Et il y a certaines personnes que c'est à travers ces motos-là qu'ils font leurs activités et à travers ces, moto là qu'ils gagnent leur vie. Mhm. des jeunes pour la plupart. Des jeunes, mhm. bien sûr, mhm. des jeunes pour la plupart. Et maintenant, cette situation en fait en sorte que ces, ces jeunes-là ne pratiquent plus d'activité, ils sont là au chômage. Et ça, c'est un sérieux problème pour la commune, je crois bien. ça, c'est un exemple vraiment palpant. Alors, dites-nous, quel rôle joue la commission sociale dans la promotion de la paix et du développement au sein même de la commune de Sac Bon, la commission sociale joue vraiment un rôle très important dans la promotion de la paix au sein de la commune parce qu'à titre illustratif, euh, nous tenons régulièrement des séances de sensibilisation, de paix, de mhm. l'EFADA sur euh, les thématiques comme les conflits de leadership, les conflits générationnels et la délinquance, qui sont vraiment des thématiques euh, mhm. très, fréquentes, très mhm. fréquentes dans la commune. Exact. Ok. Alors, dites-nous quels sont les, principaux défis auxquels votre commission est confrontée dans la réalisation de ces objectifs de paix et de développement. Bon, je dirais que nous, nous sommes confrontés à des, défis, à des défis multiples et multiformes, parmi lesquels aujourd'hui nous pouvons dire que nous sommes confrontés à des défis comme le chômage surtout, et mm. aussi la, la déscolarisation des jeunes mm. qui conduisent les jeunes au banditisme. Mm. Et ce qui fait en sorte que ces jeunes-là sont facilement à, à, à, être enrôlés dans ce qu'on appelle le terrorisme. Voilà. Est-ce que <clears throat> pour relever ces défis, excusez-moi, est-ce que pour relever ces défis, euh, vous travaillez en collaboration avec d'autres organismes et acteurs locaux Oui, nous travaillons. et comment s'est fait cette collaboration oui, nous travaillons en collaboration avec d'autres organismes. D'abord, je, tiens à dire que notre premier partenaire, c'est d'abord la commune. Mmh. En dehors de la commune, nous travaillons main de la main avec les autorités comme par exemple les maires, les préfets, mhm. et aussi les autorités coutumières, les chefs traditionnels, mhm. les chefs de canton. Et ah, c'est là, en fonction de notre cahier de charge, bien sûr, mhm. nous sommes toujours sollicités dans le cadre de, des, activités de, de paix. Nous avons, dans temps, des partenaires qui ont beaucoup aider les jeunes dans le cadre de la cohésion sociale, comme mhm. quand on prend par exemple le, projet Surf for Common Ground. Ce projet a vraiment aidé les jeunes parce que ce projet a formé, je crois bien, 30 jeunes à dans le domaine de, de la restauration, de la transformation des jus. Et après la, et, et après la formation, le projet a mis à la disposition de ces jeunes des outils comme par exemple les tricycles, mhm. des machines, des frigos. Et cela leur a permis d'entreprendre. Même maintenant, le projet n'est plus présent, mais les jeunes continuent à bénéficier de ce projet-là. bonne collaboration. Alors, euh, hum, euh, Nana Mariama, euh, quel programme ou initiative avez-vous mis en place pour encourager la participation des jeunes et des femmes à la vie communautaire et au développement local Bon, des initiatives de sensibilisation dans le cadre du patriotisme sont mises en place. Et depuis les, les événements du 26 janvier, les car des 26 juillet, 26 hein? juillet, voilà. <laughs> les événements, désolé, les événements du 26 juillet, des caravanes de sensibilisation, des activités récréatives, mhm. des débats à la radio communautaire de SAI mhm. et des activités d'intérêt communautaire sont au centre de nos activités pour booster le patriotisme de la jeunesse. Mhm. Je crois bien que nous sommes sur la bonne voie. Ouais. <laughs> Merci beaucoup, Mariam. Euh, avant de continuer cet entretien, nous allons faire une petite pause euh, en musique, nest pas, et nous Bien sûr, Fanta, et nous allons euh, nous allons bien évidemment écouter le titre de d'Omo Hamma, de Hama Concert. C'est parti. أيوة أيوة عند سنتنا دم ودم بين سفري يقند ما دما دما saban da gande ila candalo ai mana don mafai borai no na fai da iyan ka don makai kan wara jiwala ma ta don moye famuno nyala saban da gande iza candalo iza ono kanga kurono boro yana kala yabu an sidin ni don makon sauke aine mai kan ma dingi madingi gauga gurin ai zakar oui, euh, cher auditeur, euh, dans ce titre euh, de l'artiste Hammo Komser, l'émotion est palpable alors qu'il chante avec une profonde nostalgie pour sa première épouse. À travers ses paroles, il exprime un regret poignant face au commérage et de l'entourage qui ont conduit à leur divorce et en décrivant la beauté des deux mots et en évoquant la perfection de la relation passée, cette chanson résonne comme un hommage à un amour perdu. sun iga don kai kan wara. Ayo ka ka gora madan don mago zaji don maka ka furo zaurara aibi ne fadi ka madano na igunai na madano guna kulai di zara ku koki ya goga sinigai anai ze ai kunya sinti na nai gaba ai nai ni suru do mo zamawa duno ni don waga wato kina don mo kai kan bara fa fa'i kai na dariyan kai ne hayi wala mata don wai famuno za dai don mana ka kuma amma sai ai mana zan ka kanga te amma Voilà, chers auditeurs, euh, retour au studio euh, pour continuer nos échanges euh, avec notre invité du jour. pour ceux qui viennent de nous rejoindre, il s'agit de Maman Jibo Nana Mariam. Elle est la présidente de la commission sociale du Conseil régional de la jeunesse voilà, communal, j'allais dire, euh, des jeunes de Saï. Alors, euh, Mariam, tout à l'heure, vous nous avez parlé de pas mal de projets que vous avez eu à mettre en place. Alors, euh, dites-nous comment évaluez-vous l'impact des projets de développement social sur la, réduction hein, des conflits et l'amélioration des conditions de vie des habitants de la commune D'accord, Seino, merci pour la question. En fait, moi, je, depuis notre consécration, je ne vois pas assez de projets qui interviennent dans la commune de Saï. Et je mm. crois bien que cela est dû souvent compte tenu du contexte, mm. parce que nous sommes dans, dans un contexte de transition. Mm. Souvent, même si les ONG interviennent, euh, c'est de façon timide et silencieuse, car je ne vois pas trop d'impact à part euh, celle de CERF search for common ground que je viens de dire à, travers la formation de 30 jeunes hmm. de la commune qui continuent toujours d'évoluer malgré le retrait hmm. du partenaire de la commune. Hmm. Les ONG viennent souvent avec leur euh, avec leur projet ou bien avec leurs activités déjà conçues sans pour autant faire un diagnostic un diagnostic diagnostic, diagnostic pour essayer de voir est-ce que ce qu'ils ont conçu est va avec les aspirations des populations en fait de la commune. Mhm. Et souvent, c'est ça le dilemme, je crois bien. Ok. Alors, euh, quelles sont vos priorités en matière de développement pour euh, les prochaines années et comment envisagez-vous euh, d'atteindre ces objectifs Bon, le conseil, il faut le dire, le conseil communal de la jeunesse de ça, il n'a pas de ressources financières propres à, lui mhm. et aussi des ressources matérielles, il n'en a pas. Et néanmoins, nous sensibilisons les jeunes à se tourner vers euh, l'agriculture, mm. vers les terres pour assurer au moins l'autosuffisance alimentaire auquel le Niger aspire. Mm-hmm. Nous allons demander aux partenaires de nous appuyer là où nous avons besoin et non là où ils décident de nous aider. Mm-hmm. Parce qu'il faut, le dire, il faut le dire, les choses telles qu'elles sont. On ne peut pas donner du pain à celui qui a soif. Mm-hmm. Donc, et euh, sinon, est-ce que ça réussit ces, ces, projets que vous menez de sensibilisation Et si vous pouvez partager des expériences avec nous de réussite récente Oui, ça réussit. Je... Ça mhm. Bien que nous venons juste de nous installer, néanmoins, nous avons organisé un forum de jeunes de, sur, la paix entre, sur la paix et la cohésion sociale avec les jeunes de, cette village environnante mhm. de la commune urbaine de Saï, où toutes les, où toutes les autorités ont pris part. Mm-hmm. Et des résolutions ont été prises euh, dans le cadre de la cohésion sociale, dans le cadre du développement. Nous sensibilisons les jeunes mm. ayant les moyens et les ressources nécessaires pour euh, investir dans l'agriculture, pour atteindre l'autosuffisance alimentaire dont je viens de parler tout de suite. D'accord. Alors, euh, <clears throat> quels sont les principaux enseignements euh, que vous avez tirés de votre expérience en tant que présidente de la commission sociale et comment cela oriente-t-il votre travail futur Bon, moi, je crois bien que j'ai réussi beaucoup d'enseignements en tant que membre du co en, tant que membre du conseil, communal de la jeunesse parce que bien avant que je sois la présidente, de la commission sociale, j'ai été membre actif de la et du, membre du conseil communal de la jeunesse de Saï. Nous avons acquis beaucoup d'expérience et je crois bien que le, le, le cadre, c'est quelque chose qui nous prépare à la vie future. Mhm. Demain, nous serons appelés à être des responsables. Donc, euh, ça crée en nous, ou bien je dis, ça développe en nous un certain nombre de leadership, à savoir comment vivre avec les gens, mhm. comment réfléchir sur des problèmes qui minent la société afin d'apporter les solutions qu'il faut en fait. Mhm. Merci beaucoup, Mariam, d'avoir euh, accepté notre invitation. C'est ici que nous allons prendre congé de vous. Ok, allez-y. Pardon vous voulez ajouter quelque chose <laughs> Voilà, Fanta, oh. on prend une petite pause et on revient juste après. Exactement. Voulez-vous connaître les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé L'environnement et le changement climatique Le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens Alors câblez-vous sur votre émission du Niger sur Kalangou. Le Niger sur Kalangu est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangu. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. Voilà, chers auditeurs, place à présent à la partie consacrée à l'environnement. Et nous partons ce matin dans le département de Falmaï, région de Dosso, qui regorge d'énormes potentialités en matière de palmiers d'oum. Oui, Exactement, Fanta, mais selon les autorités locales, malgré son importance dans euh, l'écosystème, l'espèce est menacée euh, de disparition du fait de sa surexploitation. Plus de détails dans ce reportage de Oumu Umaru rendu par Asuman China. Il a une taille moyenne d'environ 10 mètres, au tronc noir et aux feuilles gris-vertes le palmier doum, cette espèce végétale occupe une grande partie du département des Falmey. Mais certains facteurs freinent son développement, explique Idi Hassan, le maire de la commune. De Belende jusqu'à Kwasi, partout on y trouve. Mais cette plante-là fait l'objet d'une pression excessive exercée par la population. Ces palmiers-là ont fait l'objet de coupes vraiment dans certaines zones. Les grands palmiers sont même en voie de disparition parce que les gens les ont massivement coupés. Pour les autres qui ne sont pas loin, dans le stade du développement, ils aussi, à la pression exercée par les femmes qui coupent abusivement les feuilles de cette euh, plante-là pour tresser les nattes. Si cet arbre se trouve dans cette situation, c'est parce qu'il est surexploité par la population, précise le maire. Ça a une valeur lucrative parce qu'on coupe euh, les feuilles pour tracer les nattes et divers autres objets qui sont commercialisés. En dehors de ça, le bois aussi est utilisé dans la construction. Donc au niveau local, on utilise le bois du palmier, surtout dans la construction des maisons. En dehors de ça, le fruit aussi est commercialisé. On on enlève, on consomme ici localement et on amène même dans les gros centres urbains pour la commercialisation. Ce qu'on appelle l'écologie, que ça soit à Dosso, bien à les gens viennent chercher ça ici, dans le département de Falme, pour amener surtout les femmes pour aller les vendre dans les gros centres. Donc vraiment, ça a une valeur marchande très importante et les populations en profitent. Pourtant, des textes régissent l'exploitation du palmier Doum, souligne le maire. Vraiment, malgré les dispositions en matière de législation, les gens se contournent ces dispositions-là pour couper abusivement et massivement euh, ces plantes-là. Souvent, on constate que même les services de l'environnement ferment les yeux sur, parce qu'on ne peut pas les empêcher. C'est là, on ne peut pas empêcher aux femmes de couper ces palmiers, surtout les feuilles. Mais quand même, il y a le service de l'environnement qui est là, qui fait de son mieux souvent. Nous avons aussi maintenant une ONG qui est en train de sensibiliser la population, surtout les femmes, dans la modération de la coupe des feuilles de cisa. les palmiers sont indispensables pour optimiser la production et maintenir la fertilité des plantations selon les spécialistes. Cet arbre fait partie des espèces végétales protégées au Niger. Voilà, chers auditeurs, c'était la rubrique hebdomadaire sur l'environnement. Avant de poursuivre cette émission, nous allons marquer une pause et souffler avec ce morceau Zoutia des MDM Crew. Le temps le contre la souffrance, c'est ce qu'on m'a dit. Mais dites-moi combien de comprimés je dois prendre pour apaiser ma douleur. Je me sens tellement seul, dis-moi où es-tu? La nuit j'arrive pas à dormir parce que t'es plus là. Mais dis-moi où es-tu, moi je ne peux pas dormir. Je ne fais que voir ton image au fond de moi, oh toi ma reine. Est-ce que je dois picoler pour oublier? Mais droguer pour oublier? Est-ce que je dois m'isoler au fond de la savane pour Oh mon Dieu, tu m'as infligé une douleur qu'aide-moi à supporter. Je me sens seul, comme un avant abandonné qui a perdu tout ce revers, Face à ton ma douleur, je demande juste une petite trêve, comme un enfant abandonné qui a enlevé toutes les peines. n'est pas du toute la joie de violence Zotia, y'a de même Zotia Tio, y'a de même Zotia Y'a de même Zotia Tio, y'a de même Zotia Y'a de même Zotia Tio, y'a de même Zotia Y'a de même Zotia Et oui, le titre Zoutia de l'artiste Soul du groupe MDM Crew est un poignant témoignage de sa douleur et de sa tristesse suite à la perte de sa mère bien-aimée. Oui, c'est un hommage sincère et touchant à sa mère et à travers cette chanson, l'artiste nous invite à reconnaître l'importance des liens familiaux. Zoutia devient plus qu'une simple chanson, mais un témoignage de l'amour éternel entre une mère et son enfant me sens seul comme un enfant abandonné Qui a perdu tous ses revers, Face à toi ma douleur Je demande juste une petite trêve Comme un enfant abandonné Qui a enlevé toutes les peines Qui a perdu toute la joie de vivre au oh nom Sotia, la dernière maison petite trêve, comme un enfant abandonné, qui a enlevé lui toutes les peines, qui a perdu toute la joie de vivre au nord nemin zuciya ciwo ya danne mini zuciya ya danne min zuciya ciwo ya danne mini zuciya ya danne min zuciya ciwo ya danne mini zuciya ya danne min zuciya ciwo ya danne mini zuciya Voilà, chers auditeurs, après cette pause musicale pleine d'émotions, nous allons continuer avec le reportage région. oui, Fanta, la ville de Difa est confrontée à une crise économique sans précédent, <coughs> exercée pardon, par la récente chute du NERA et les sanctions imposées par la CDAO. Cette situation a entraîné une flambée des prix des marchandises sur le marché local, impactant directement le coût, le coût de la vie des habitants. Reportage signé Gidi Abdraman. Sur les marchés à Difa, on constate une hausse des prix des marchandises causée par la chute d'Inéra. Cette situation a provoqué une augmentation du coût de la vie dans la région, comme le témoigne Habsou Aboubakar, une femme leader. cikin matsanancin hali mun uwayen iya da mazajenmu da matanmu gaskiya muna cikin matsala a yau abinci ne da ya tsada Yau kana da shi ma ka ɗauka ka sai kuɗin basa sa kai kamar yadda ake saida amma dan Allah dan annabi muna kira ga mahukunta masu hannu da shuni dan Allah a sassabta ma talaka talaka ne yake shan wahala dan wani bai sa akwai tsadar rayuwa ba talaka shi ne yake sanin tsadar rayuwa shin kaya wannan ta Najeriya ma ta kai dubu uku da ɗari biyar yaya ne talaka zai dan Allah dan annabi muna kira ga mahukunta masu hannu da shuni a taimaka ma talakawa an ma ba a ba mu na kyauta a sassabta a sassabta yadda talaka zai iya saye da hamadiyan shi. Mama Lawal, un commerçant, nous décrit la situation actuelle de la monnaie du Nigeria. Lenera qui est la devise utilisée dans la région. A baya abinci abin da aka yi ba abin da ya kai kamar shinkafa da hatsi ga talaka sun hada zama zama tarihi ma. A can baya kayan abinci suna shigo mu daga bangaren Nigeria da kuma ƙauyukoki na kusa da munan Difa irin su Gamari Malam Balamari ƙauyuka da suka shahi sun jibinci gewayen Difa da masa duk dai ƙauyuka na kusa kusa da mu a baya kuma hallau daga da magana ana kawo kaya a baya sosai wannan matsalar ta canji shi yasa yanzu abinci yana da wuya a kawo shi daga bangaren da ya shahi na yamma saboda yanayin canji babu wani abu da ake saida a Difa a sefa naira ce kenan mutane suka siyo kaya daga can abin jika daya da an an siyo jikar dubu da naira ɗari dubu da ɗari biyu yanzu jikar talimka kenan yanzu kusan ce an hakura da bangaren zandar in yanzu an koma kauyukan difan kawai su ne shi kuma kauyukan difan kaya ya bar hannun manomi kaya yanzu babu shi a hannun manomi ya koma hannun masu siyasa saida kenan ku abin aka ce babu shi a hannun manomi ana cikin matsala à la data du 16 février 2024 la monnaie nigériane l'ENERA a perdu 99,96% de sa valeur en 51 ans aujourd'hui 1000 francs CFA équivaut à 2300 naira cette situation a plongé les habitants des Difa dans une crise sans précédent. Voilà, c'était le reportage région signé par Guidi Abdraman, notre correspondant depuis DIFA, et rendu au studio par Habib Garba. Place à présent à la page sport avec notre chroniqueur Grouza Hassumi Karimou. Bonjour Grouza. Bonjour Fanta, bonjour Sinou. Bonjour. Alors, Gouzan, nous ouvrons cette, page en sport avec la Super League de football du Niger. Parlez-nous des meilleurs buteurs de la première à la 16e journée. Oui, Fanta, le premier, c'est Elvis Bernard Adai euh, de l'ASFAN avec 9 euh, buts euh, suivis de près par Zachary Isaka Moussa du Sahel Sporting Club de Niamey avec 8 buts. Ouseni Abdou Maharazou de l'OFC, l'Olympique FC Club de Niamey, et Abdullahi Ousmane de la GST de Tawa ont marqué chacun 6 buts dans cette compétition. Après donc euh, la 16e journée, la conserve sa position de leader au classement provisoire avec 38 points. La deuxième place est occupée par la Nigelec 31, 31 points. La garde se classe troisième avec 28 points. Au bas du classement, Urana Darli se situe 15e avec 14 points, suivi de près par Lakokana Darli 16e avec 13 points, tandis que l'espoir de Zender ferme la marche avec, 17, euh, euh, avec 13 points. Euh, l'équipe est 17e. Ok, Gourouza, la Confédération africaine de football a organisé le tirage au sort des tours préliminaire de la Cannes 2025 à son siège au Caire en Égypte. Oui, nous, c'était hier mardi 20 février 2024. Deux groupes ont été créés. dans le groupe A, nous avons la Somalie, Djibouti, Sao Tome et le Tchad. Dans le groupe B, on retrouve El Maurice, le Soudan du Sud, le Libéria et l'Eswatini. Il faut noter, c'est nous, euh, que ce tirage au sort concerne seulement euh, ces huit nations les moins classées selon le classement de la FIFA. Rappelons-le, euh, les quatre vainqueurs parmi euh, ces nations compléteront le groupe de 44 équipes déjà positionnées pour la première phase des qualifications. C'est en ce temps notre tirage aura lieu en avril et va regrouper les 48 équipes pour la phase du groupe des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations. Les matchs pour ces 8 pays auront lieu entre les 20 et le 26 mars prochain, euh, sous forme de matchs aller-retour. La Coupe d'Afrique des Nations de foot euh, au Maroc en 2025 aura lieu du 26 juillet au 21 août 2025. Voilà le sport. Merci infiniment, Gourouza. Chers auditeurs, si vous venez de nous rejoindre, vous êtes à l'écoute de l'émission Le Niger sur Kalangou et il est 11h passé de 36 minutes. Et c'est l'heure du portrait du jour. Oui, c'est le portrait de ce mercredi 21 février 2024 nous conduit à Madawa, région d'Ottawa, pour vous présenter Sadia Ousmane, une technicienne radio. Oui, dans ce métier, elles sont peu nombreuses, mais Sadia ne ménage aucun effort pour satisfaire sa communauté à travers les ondes de la radio Saraunia. Elle est interrogée par Samira Rouafi. aiki na technician na sa kamar waƙoƙi su fibilisite da ko su estido kalangu da wani hina animasiyan muna miƙa mai yukuru da kuma kwamnike. To tun yaushe kika fara wannan aikin? Shekara ta shida ina aikin takanisiyan cikin radio sarauniya sande kwaya. Ya baki ƙwarin gwiwar shiga wannan irin aiki na teknik? Na da shigo na saboda sha'awar rai da kuma ina son aiki. Wallahi kawai ya dirga ni na ni shigo ni ma ya dace gare ni da ni ma in shiga a hudu ni na wallahi ya dirga ni aikin ga yana sha'awa ta yana aiki wanga ba sai namiji ma ɗaya ba ko mace tana iya yi ne aiki ne da maza sun fi yawa a ciki musamman cikin kananan birane shin babu wata mummunar fahimta da ake miki wallahi alhamdulillah wallahi na mun kallon alheri ba mai min wani mummunan kallo wallahi na gode ma Allah da na samu wanga aiki alhamdulillah wallahi yaya mu'amalar ki take tare da sauran abokan aikin ki sosai ku suna koya mini komi da komai wallahi in ban ma iya wani ba ina tambayar su su gwada mini ya na zan in sun ka gwada min ya zanyi in na rike in kuma ban ma gane ba suna yi kuma maimaita mini ha in rike shi ga kaina wani sako kike son mikawa ga yan uwanki mata wadda duk bata ta sana'a ubangiji Allah shi hore mata ta samu inda ta kare mutuncin kanta mata su eh to su mai da hankalin su da komai da kuma su kama jikin su su sa niyyar neman aiki ko sana'o'i hakan ga saboda su ruwa makanin su asiri karin mutunci Le studio Kalangu est un projet de la Fondation Hirondelle financé par la coopération suisse, le Fonds international pour les médias d'intérêt public, la Grande-Bretagne, la coopération allemande et l'Union européenne. Chers auditeurs, euh, déguistons ensemble notre euh, dernière musique prévue dans le menu d'aujourd'hui. Il s'agit du morceau Zamandounia de l'artiste Fé Sani Aboussa. kikoma avisar. chochoraza zamani ya sasauya bairina daurimba zama dunia nayo abokina emakasoraza Daulida imani, Daulida zomonchi. So dauri da oh, so yayya a yanzu babu ko dai imanin ya bace zumuncin babu shi soyayyar ta hako maha abinda ba mu zato zama duniya na yau abokina kowa ya so rasa zamani ya sauya biya ya hankali da tarkon ɗan adam ko hanya ko ratse bai raga ma kowa ba shi adam duwanda ya fada sai dai kaji wayo maso إيمان صورته زمان يا سويا chers auditeurs, c'était Zamandounia du feu Sania Boussa. Place à présent au loti d'aujourd'hui qui porte sur la maltraitance des enfants par leurs nounous. Car selon des témoignages des parents, certains nourrices à leur absence maltraitent les enfants qui leur sont confiés. Et oui, écoutons la discussion de Salamatou Kadri, Aminata Boubakar et Ismaël Adjibo sur le sujet. <laughs> La Asiba Murayan. numoyo da bai sai fa wallahi nim ko kadin ham da matan swadda yin sandin ne nim yega ye ni wallahi ni gay bay ni man darnyan bi wono kai se sai wala sat kan ni tosin muduno ha kai ni dab fuha wallahi ay man ba mai fa ba so ngai ye kwai gin dab kwai ni samu meho kai kai kai kai kai il faut mawo ti gwanu goga dai sino handu ya kan sai ila ila ila sayyidina muhammad rasulullahi hashiya so ayo fatin kan baka to ne hal gangi hayyanga ai kayan wunan ga kai banan da ya hunkun hinna na sintin so sintina ne ya So sintina ina ni sai lutuno son da ma makan ne kan biyinin diga da bu fura kan aisino Hashi ya wallahi ai ga fil irkoi sai ya faisi <laughs> ai mu ya fin sai ni bai baino ni kan handu ya zano ni gogo gurus gandi ya cincine ha wace kulkan ai kaga fungoi kala ko cagar alhali kan siborira dai man diya ga marai marayan moy zai ga cirai karan wa tuku dai ka madu manai se da mun koran dai manai sa funga kan dai ni a dai ni sijan hai kan ni dai dai se window wora wiza te go no go ga tai zo se hajiya ir ko se ya fai se wallahi nai nai siye ga filla fati halai gai moy zai dabu ga feri ni gine kai na ga iberi ga fatta gai nai window wasu wasu bo da manta da sun da sun da gine leban da mu koi kasun wani maga jam jam jam haja subhanallah haja ustadi ai gide ko ga dai bani ifo no go gute no go za tare go go ma dan gindai se da manci gwamni mu no kan ni go ko ciwo kan a sai na gidir gaizo nan kan ne dia go gaizo fundo gurzigan dia cincini gurzigai bone hinna na ga dia ta bai zo se bone wani man tefa ai na garna ka saban da goga na yazo sai kan hadda mana taiwo kan goga ci kula ga di ne zan ba bibu mun gan dan fura ga dabu ha ifo sai zan ko ciya to sun ga mudun warasi hashiya hashiya ir koi sai ya faisi wallahi ai goga te don dai ba ya kai te ko ciya wo sai ha ni mo da faifan go batu fatta gaina windo nai ne fa den si ba fatan da mu fodo ke fo kan bakeru keru mu fatta gaina windo jam hajja wihin suru wihin suru haya man to yadi ai mi suru guna nimo wone kannate amante matuno zanga kai no kan kun futi ya cini wallahi hayo mante kannate inga nai ne ni se dim mani sambuni ga dibo dai kan bara sunda sunda hospital ga teyo jam iko demi wa hospital zam ne bai bot si ting bot se wihin suru hmm. wihin suru ha to dai se tai bon sai ne ni se ga koi kasu ayer kwese mantinda kaso ayer kwese albora kwese kamudangai sai ki bai mo kwai kaso ni bontero ni singi dangai <laughs> dangai ma haja haja fisbillahi haja muhimsu zaka ya kadi ya kina agogo fala agogin ko ngwara ibenin da ganda agogin kardir ko hajiya bakar wallahi hajiya din ya faisi ai siye gafil lokoi na hajiya din ya faisi ne siye gafil wallahi ai tu bai siye ko ya kar koi na hajiya so din ne gare man ga nai ga koi irkau ya gu mo ko inno din hay no sara kala tabin da bonen da gurzu gai niga wadin bayino dinga wadin dai niga boni cin dogwai ainin ku bai nainin sambun dora mata kan ne hayyan ai sambun da ha kai bonon do kan ni ga taise no ai izo gunda ha inga no ga di bonan di son kan ni kunguni yuttuni ha ni kunguni yuttuni ma kani wa kan ga kai bonan da no ya hajja hinsuru hai dai hajja numu matlo barkan ni su bai kan ni sa nya bai ni sa ba bai ni sa kauya bai ni su bai ba nan kafun ga sambu ka goran din kwara gina min izigayi hajja wadu wan chimisan ni no ni kaisi ai kyor fogo yi za zenanu ha ai chor fono ka yi sai gina ma ga iza mungu ga ganaru inga goyi zo na kinga kandai si hankan nan aini san buno ya ai sa bai ai sa nya bai ai sa babu bai hajiya bodo bai dai haifo aran wai bodo aran gonda aran kan bitalo aran hima ta bai mai sai na ran gidi ga window na da mai sai na ran garan zankai nan ko go hajiya ni gonda chimi amma wira almiyaro rapun bono zankai menda da men da ko equal ai sin da burkul kan ga hinga iza ga yayi sai

ya fayan hay folon nay ga baga amun ga jinai kai na ga iberiga kunai fargai sin sanni bobu a jinai kai na ga ibe riga ku ga fatta ga nay windo gun sam dai mina tuna go kokor seriya ma ai ye koi sai mantika shi ai no goge almiya lege no kan ni goge no dai nay goge nya dai babu jegen da shadin ko na ai kasu pati ni kiti ha shi ya bakar sai ai bakar ne sai zati gun monduma muna chifoone ya bor ma aran sambu bor ma aran wandi bor ma aran nyumai ara ma hana aran mu yutu dara mun bor iza marai aran ga bor zai wala aran mu do tegoi karan ni mo ga chim daga san murji na ga bisirim ko ni bon tero ni ga chim daga hey te wasi wasi ti ne fatandi dangai dangai zo dangai wadi yoba ay bumbo ni nyagonde tal de man tar mat seno ni handu yaggay ze ai gitir gidir gen nan goyi za sene ma ay zo asifilla dai mon dubar kan gin gayi ba funai kodin gano ay nyangay sai igin gayi karim ko kanig fulanzam ai farga Voilà, chers auditeurs, c'était le loti du jour. Nous allons passer au mot de la semaine qui n'est autre que crise. Vous l'aurez compris, c'est l'heure de la culture linguistique à Langzerma avec Moussa Hassan. Bonjour Moussa. Bonjour Fanta, bonjour Seno. Bonjour. Euh, comme vous l'avez annoncé, le mot du jour aujourd'hui, c'est le mot crise. Et c'est un secret pour personne, euh, suite aux événements du 26 juillet 2023, le Niger fait face à de multiples crises et de ce fait, on a choisi le mot crise comme mot du jour, qui a été expliqué de loin en en début de semaine en mhm. langue française. Et j'espère que ces explications vous ont éclairé. Maintenant, je m'en veux l'expliquer en langue zarma. asibe se tugurira niger labora mise tere kanyante je handoji bora kakin da iddo kambisa bisa banda in e niger bo furo kende kenden da Dum dumdumiyara anga kande ir suban kalmai zo kai riga wallafi bare sai ti sanda sanda kanda kiriz noya amanti kala misano kangate alwati ka alwati sandai berira mu giniga kiya jota beri dirsan busil silman kaina in nijar labora sundurkai noru sundurkai bankai noya ifuru da kan kaddin fondo konneyan sambuka gorendi kan ganan imihin bore mura de kafiri bore kaŋ nore go ido do i ma dugu du kayna kayna yadin ga fondeydi nga no iga sokkon ko gorandi kudu kenge azak arzak fondora sanda ka igoga didi didini bonza yadin ga rigin ne kan sandai amantikala misa kan gati fanni dumi dumi yara wani wani yara aga ga himamu imu fonde yan sambu sukutum misa hinna maga fanno kan ati maga zama afo woni ga afo bonza nga kande na wani wo sambu sanda en la labora matka irki da azak fonde dohare sanda sande yangono Bore i ba fonde do hare men dohare do hare dede nera do hare wani wani yande sande di igo garwar cerari ba tonton lantarco do hare irgo di sande yankanga kan fanno eh, saru sai da bore kai ya guna in fanno konen sokon ko gorandi kanga bonza kanga na labize ba de sanda din gono a masiha ba ga to na kan ne isin ba funsar mhm. irga milin iri hangan kai i faham da fahamin da yawa ka ita ise zarmaci na Irgun Fondogoy, merci euh, infiniment. <clears throat> Chers auditeurs, n'hésitez pas hein, à nous laisser un message au 82 89 89 64 si vous avez des mots ou des expressions que vous aimeriez comprendre en anglais, en haussa, en zarma, en tamashek ou en fulfulde. Votre participation est la bienvenue. Et justement, il est temps pour nous d'écouter les messages envoyés par nos auditeurs. Vous écoutez le Niger sur Kalangu. Studio Kalangu vous écoute. Des idées, des questions, des suggestions. Tapez 82 89 89 64. Studio Kalangu vous écoute. Message des auditeurs. To sakon da zan isarwa a studio Kalangu shine gaskiya emission inda suke kowane iri ne ma suna burge mu saboda suna kawo mana information kala-kala bisa kan kasan mu sirtu ma bisa kan mata da kasuwanci haka abin yana burge mu sosai. Gaskiya mun son samu ne a dan kara lokaci balle ma ni da emission din nan ta mata ta hi burge ni saboda emission ta mata duk inda mata za a ce gaskiya ka inda suke ci gaba nan muke so mu muna son a ce mata ga sun san ciwon kansu suna ta ci gaba da al'amuran su gaskiya kenan mun samu a ci gaba da irin emission ga kuma a ƙara lokuta. Ni ne Zanadu anan Arlit game da shirye-shiryen da kuke a cikin gidan rediyon nan na Kalangu gaskiya yana ƙayatar da ni sosai shirye-shiryen naku suna birge ni sosai ina ra'ayin sauraron ku kuma a kowane lokaci shirye-shiryen da suke gabatar da 'ya'ya kamar kuɗin aure da suke magana a kai. cewar amma uwaye magana a kai. abubuwan duka yanayi ne na rayuwa ka shigo dole sai ana sasanta akan su komi a yi shi yanda ya kamata insha Allah. cewar sana'ar da za a yi matashi yana hidda mu kanshi wani abu ba cikin cewar yana nan cikin mutuwa zuciya kullum ya kasance cewar yana neman abin da zai hidda mu kanshi takaici su gane abin da ake nufi ana faɗakar da su a kowane lokaci ya zama abin suna aiki da shi ina tunanin a ƙara shi ni da anawa saboda ina sauraron su ne kuma suna faɗakar da ni sosai ina ƙaruwa a kan shi Allah da ya bada sa'a Ciro Kalangu na samu amfani sosai da ita tunda ina sauraron ta kamar wajen la'asar haka kuwa ina sauraron ta sosai da sosai bisa labarin da take ko ina na jaha jaha da na labarin ƙasa duka ya har ke ƙetare ma kuma ina ci gaba da saurari kuɗaɗe kuma yana karuwa da su kwa so tubi su kai ga harakan matasa wannan da suke yi ga dukkan alama na lura radio ne wanda duka faɗin Niger ana sauraron shi gaskiya hakikanin gaskiya radio ne wanda ina sauraron shi jehi jehi eh, amma duk sauraron da nake mashi na ga duka komi suna yi suna tattaba ko ina matasa tsofi rashin lahiya komi da ina musu fata alheri allah ubangiji ya sa ci gaba da haka tsayina na ma'aikacin likita ina ƙara jinjina musu da suna taɓa kiwon lahiya. to gaskiya studio kalangu kuwa emission ce take katar da kowa da kowa wanda da yake swift kinta ban samun damar sauran ta sahi tun da sahi da marice ne ake amanta ta marice dai kamar in muna da dama muna sauran ta da tanzanta yana katar da mu kwarai kwarai saboda abubuwa ne da suke tuna da da galgajiya duka kenan saboda shi ne suke birge ni kuma ina kira da a ci gaba da yi saboda yaran mu da san suka mance da galgajiya a rika sa musu don ka san lokacin da da ne yanzu ba ɗaya ne ba. to sunana dai abdu da kakan eh, studio kalangu gaskiya bata shirye-shiryen ta duka dai shirye-shiryen ta duka muna jin daɗin su babu na yada amma muna sa haido shiri wanda yake muna iya buga waya mu abin da muke so shi muke bukata gare ku eh shi wannan suke na muhawara muna jin daɗin shi kwarai ni ne Sahil Prezi fada ba bambanci Arlit lalle dai studio Kalangu gaskiya muna sauraron su kwarai kwarai fiye da yadda ake tunani ma saboda zawwa su dinkin nan shirye-shiryen da suke gabatar mu da su na matasa da wayar da kanu da labaru wannan da suke a cikin lokaci gaskiya suna faɗakar da mu kwarai da gaskiya musamman ma yar din su na labaru da suke respectan yar ba a kuskure ma yar din labarai abinda muke bukata a studio yanzu kawai su ƙara faɗaɗa mu shirye Vous écoutez le Niger sur Kalangu. Studio Kalangu vous écoute. Des idées, des questions, des suggestions. Tapez 82 89 89 64. Studio Kalangu vous écoute. Message des auditeurs. belle chanson que nous allons prendre congé de vous. Nous avons adoré passer ces moments en votre compagnie. Le rendez-vous est pris pour demain pour une autre émission. Au micro, c'était Ali Moukela c'est 50% et moi-même Fanta Chamsou. Et oui, la technique était assurée par Abdulkader Chambiano qui déjà fait un coucou à sa femme euh, qui nous écoute depuis le quartier Bani Zumbu 100 mètres. Et à l'édition, c'était tout simplement la grande dame Adama Ciao, ciao.